donc cinéma amitié film cinéma amitié on est ñëpp ensuite on préparer préparé fête de l'indépendance 2004 nous avons ko 4444 le président bi fa avant jël benn décret décret bi décret nañ ko en 2003 il y situ une yu Il yu nekk une

chantier yi ñu arrêté ko l'arrêt des chantiers de Thiès loolu tamit ñëpp xam nañ ko pour le moment actuellement am na sites yu bëri fii Thiès yoo xam ne ba léegi ñu ngi tombé en ruine parce que dañ ko arrêté boobu ba léegi léegi bi ñu désaffecté fii pour utilité publique université Thiès yu ñu ñëwee amul infrastructure amuñ fu ñu jàngee ñuy loué ay kër biir Thiès étudiants yi commencé à un mouvement demeure des grève marches. marche président premier ministre premier ministre lettre instruire le ministre Biron affaire habitat ne à jeunes palais de congrès autoriser pour nous reprendre les chantiers de Thiès pour ñaar ñooñu par la suite mu jël xaalis bu bëri état bi rat local parce que dafa nekkoon en ruine waa Thiès ñëpp gis nañu ni meloon bi ko abandonné ay année mu commencé vraiment di daanu ñu dépensé xaalis bu bëri pour defaraat site bi mun ne mun leen defar leen ko ngeen jox ko université Thiès affecté université Thiès pour combler ñàkkum infrastructure bi Thiès am loolu moo bi ñu paree ñu ñëw université occupé ko auberge des jeunes nañu yan bâtiment mo fa nekkoon yan service bibliothèque centrale scolarité centrale projet un étudiant un ordinateur ak yeneen bureau fi aussi actuellement ba booba est école doctorale nek fi l'incubateur nek fi ak service yu bari nek fi légui biñu occupé légui dem ba si ñu remarqué maintenant ay fissures ay xar-xar ci bâtiment bi expert ne mieux vaut kat ñu libérer bâtiment bi pour defaraat ko mo gëna a non la services yooyu génnee dem lu ñu luyaat ay encore ay bâtiment un peu partout à Thiès état wat xaalis bu takku commencer maintenant diko ko pour que ñu mën ko occuper actuellement état mo préparé appel d'offres à de procéder au déploiement attribuer marché donc état actuellement mon équipe c'est Jeunes de réaliser les travaux bien avant que maire bi maire ne ainsi mon bi une une lettre recteur le maire la recteur pour demander à ce que nous allons auditorium fii la defee à de service am dans nos archives beaucoup de lettres officielles les maires yi à chaque fois du ñuy àbb auditorium par manque d'expérience en tant que jeune nous parvenons à comprendre aujourd'hui que dans ce débat il y a trois logiques qui s'invitent et trois logiques qui s'affrontent à savoir la logique de la construction à savoir la logique de la prédation et à savoir aussi la logique de la consolidation. Logique de construction, parce que nous, communauté universitaire, à fortiori les étudiants, nous sommes dans la logique de construction. Parce qu'on est allé plusieurs fois chercher à rencontrer tous les maires de la ville de Thiès. On a tapé à la porte du professeur Babacar Diop, docteur Babacar Diop, plusieurs fois, pas pour lui rencontrer en tant que commandeur, mais pour lui rencontrer comme proposeur de projet. Parce que nous sommes dans une université à vocation scientifique, et la mairie a besoin de nos expertises. Nous avons essayé de le rencontrer pour lui proposer un projet même de numérisation de l'état civil, parce qu'au niveau de l'université, nous avons une UFR 7, sciences et technologies, où il y a des étudiants informaticiens. Nous l'avons aussi tenté à le rencontrer aussi parce que nous avons aussi l'UFR santé, et nous avons même fait des journées de dons de sang pour aider la communauté de Thiès. Et d'autres choses que je peux citer. La logique de la consolidation parce que nous nous battons d'arrache-pied pour conserver le minimum de patrimoine foncier. Mais aussi la logique de la prédation de l'autre côté de la mairie. Pourquoi je parle de prédation Parce qu'il y a ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordantes et des informations concomitantes qui nous font croire que la mairie est dans une logique de prédation. Je m'explique. Aujourd'hui, il nous sert le plat de l'auberge des jeunes, palais des congrès. Mais demain ou après-demain, que sais-je, ce sera l'auditorium ce sera le campus Balabé, hôtel du rail. C'est pourquoi je parle de logique de prédation.